may laaj euh, ki nga xamanteni moy maître souleyman Ndéné ndjay bi nga xamanteni kenn musul gis procès bu mu gagné ma laaj par exemple ni la. gagné <laughs> kenn musul yé procès bo gagné. malay lay laaj par exemple mais yow lañ may invectiver wala lan nga yow vous êtes quand même incorrect hein. ah non mais mosoo gis procès bu ma gagné. mais yow mais bien sûr. comment pouvez-vous tout de go me dire mosuloo gagné procès. dama ko mais vous n'êtes pas poli hein. d'accord hein d'accord lolo ne me parlez plus comme ça sinon je fous le camp. loolu ay non non s'il vous plaît man ak teranga ak yar boo ko deful si ful camp d'accord sama roma ah. d'accord naa yeggali sama question te du ma non attends s'il vous plaît allez jaay mën naa ko da ah. euh, nga xam man ñaata du ma yeggal yow foofu yëpp ma dama ne xamuloo man lu ma plaidé lan la d'accord procès bu ma gagné d'accord léegi s'il vous plaît s'il vous plaît waaw d'accord vous à vous à m'écouter. Ah, bien sûr, je vous écoute. Vous me parlez correctement, convenablement, je vous réponds convenablement. D'accord. Si vous voulez que le débat se poursuive, d'accord. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Je retire mes propos. J'ai dit tout simplement que y a gagné procès. Alors, alors, les, les,